Nous sommes lundi 11 mars 2024, chers auditeurs, bonjour. Merci euh, de suivre notre programme du studio Kalangou. Bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane. Il est 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Ali Moukela Hussein alias Seno. Et ce matin avec moi, Samira Rouafi. La technique d'aujourd'hui est assurée par Amina Hassan. Et à l'édition, nous avons Alassane Abdou. Samira, bonjour. Bonjour Seno, tu vas bien ce matin Alhamdulillah, tranquille de mon côté. Tout Alors, euh, déroule-nous le tapis de ce matin. Eh bien, euh, pour tous ces mois que durera le ramadan, nous allons offrir euh, d'autres rubriques à nos auditeurs. Et oui, en effet, dans cette partie de l'émission, vous aurez des conseils pratiques sur les conduites à tenir pour bien accomplir votre jeûne. Ça sera avec des prédicateurs et spécialistes en nutrition. Ce n'est pas tout, des recettes et astuces en cuisine. Et pour votre bien-être, vous nous vous proposerons bien évidemment euh, pas mal d'autres rubriques. Mais avant, il y a d'abord le flash d'information, le loti des femmes du studio Kalangu, la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou, sans oublier la culture linguistique. Nous sommes lundi et les lundis, la rubrique hebdomadaire est consacrée aux questions de justice. Aujourd'hui, dans l'écho des régions, nous partons à Terra, région de Tilaberi, pour découvrir la contribution du compte dans l'éducation. Et oui, chers auditeurs, évidemment, avant de vous dire au revoir, nous allons écouter les messages des auditeurs. L'entretien de jour sera avec M. Moussa Ayouba, un coach en équation que nous avons rencontré lors du Festival international Doki Iskat Filingue. C'est parti. Sans plus tarder, chers auditeurs, voici pour vous le flash d'information présenté ce matin par Okaya Abdurrahman. Bonjour Oki, tu vas bien Bonjour Samira, je vais très bien. Bonjour Seno, ça va Bonjour, Alhamdulillah. Alors pour le flash d'aujourd'hui, le croissant lunaire a été aperçu hier dimanche 10 mars 2024 dans plusieurs localités du Niger, marquant ainsi le début du mois de Ramadan 2024 selon un communiqué du Conseil islamique. La communauté musulmane du Niger entame le mois de Ramadan ce lundi 11 mars sur l'ensemble du territoire national. Le Ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam. C'est un moment de de dévotion, de pratique intense et d'abstinence. Il marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et est consacré à la prière, à la lecture du Saint-Coran et aussi à beaucoup de bonnes œuvres, toutes choses qui rapprochent le fidèle à son Créateur. Ensuite, du sport, Kadri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso a remporté la Coupe du Président du CNSP, chef de l'État, le samedi à l'arène de lutte Langalanga de Zender. En plus de la Coupe, Isaka Isaka part avec 2 millions de francs CFA, un véhicule et un cheval harnaché. Le deuxième de la compétition, Sani Abdou de Maradi, repart avec 1 million de francs CFA. Le troisième, Mansour Issa de Difa, 750 50 000 francs CFA et le quatrième Halirou Aminou de Tilaberi 500 000 francs CFA. Enfin, le lancement de la campagne Niamey Ville sûre par la ville de Niamey et ONU Femmes en collaboration avec le PNUD, l'UNFPA, le samedi 9 mars à travers l'initiative Teximen Ambassadeur, c'est pour contribuer à la prévention et à combattre les violences basées sur le genre dans la capitale. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi également, Rocky, pour toutes ces informations. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tantôt, nous allons, euh, dans la rubrique entretien du jour, euh, écouter notre entretien que nous avons accordé Monsieur Moussa Ayouba, coach en équation, c'est-à-dire il est moniteur d'équation. Et oui, Samira, il nous explique d'abord son rôle dans l'écurie et explique les différents types de chevaux qu'on retrouve au Niger. On l'écoute. entraîneur eh, coach kamar ne. To ana ya ca a takaice ku yi aikin ku cikin wannan haraka wajen cooks inga na dawakai. Eh kware ku saboda kamar mu matsayin mu kamar a gida dawaki ko dawani muke kula da su. Mu ne ke ba da ma na gyaran su. Eh ke ji matsayin aiki na a cikin gida. Kuma kowanne ne na san matsayin inda zana kai shi zai gudu. To madalla Eh, an ce akwai dawakan iri-iri ne kuma akwai inda suka wuto daban-daban ko kana iya gaya muna dawaki iri nawa akwai eh to mu dai nan wurin nan Nijar dawakin da ke gare mu muna da Sudan su daga Sudan ake kawo su muna da Talon daga Chad ake kawo su kuma akwai muna da Arewa su kuma namu ne nan kasan mu kuma akwai nijar badat su kuma dawakin da aka haihuwa ne cikin Najeriya su ma nan muna da su a nan Nijar to miye bambanci a tsakanin wa'annan duk dawakan da kuka zana mana to kowane ne akwai kategorin shi kategori ne kin ga ba sudan su ba a ga masu da irin dawakin mu ba a ga masu da talon kategorin su daban su ma talon haka nan ne su ma arewa su daban su ma na najeriya su daban kowane ne kategorin shi daban kowane ne akwai matsayin shi ba a gama shi da wanda ba kategorin shi ba kakane tsayin su yake da yake ana cewa kategorin su ba a gama su daban girman su ne ya bambanta ko kakane eh kwarai ku akwai bambancin girman ma tunda sudan ya shi su duka girma sana talon sana kamar wanda aka aiwa najeriya su ma sun ɗara namu arewa girma eh, daga girma ma akwai bambanci to mun zo nan kuɗe muka iske ba mu iske su joke in ba masu hawa suna gudu bisa kan dawakan na yi sani me yasa ake raba doki da shi da mai hawan shi ranar gasa a to su da mun jurke tsakanin mu da su sai in wani ma sai mun je hili kawai za mu darma mai sirri ya hau doki kurum ko kuma in ranar tireni in za a tireni ya hau ya yi tireni dan saboda wasu ma ba wurin dawakin ma suke zama ba ko gida mu ko ma mun wurin su kuwa su gidajen su suke ta mu dai muke tare da dawaki da mu da yaran mu muke kula da dawaki komai da komai wasu sai rasu kuwa ma su zo kawai in suka hawa kuma su koma su tayi su wasu kuma wasu suna nan tare da mu da rana tireni tare da su zamin tireni a komi. To dan me yasa ake wannan? Eh saboda su antren mahaya wasu ba ma gari guda ma wasu akwai wanda kone ne ma gidan shi ke tare yanzu nan da an yi su kuwa yau akwai wanda ba su kwana nan garin in su kuwa ta kare za su taya su gidajensu. mu kuma ko ne ya ɗauki dawaki zai koma mu yanzu kin daga niyame muka zo da an tashi daga sukuwa za mu koma niyame tare da dawakin mu mu ne za mu yi ta kula da su sai wata sukuwa ta tashi sana kuma mu aika musu su taho su zo su yi hawa kuma akwai waɗanda muke nan tare da nan niyami wanda muna su kuwa sati sati kullum muna tare da su suna hawa mu haɗa da su mu tashi tare da su kullum dai muna nan tare da su su wannan nan muke tare da su amma kuma akwai wanda muke ake kirawa daga wani wuri suna zuwa suna hawa kunya mai kuke wakilta kenan cikin wannan gasa ko muna yi sanin cikin duk wannan dawakan da kuka zana muna a baya kowane iri ne kuka kawo to ni dai yanzu arewa ne na kawo eh arewa ne amma akwai abokai na da sun kawo talon sun kawo sudan kun samu kun yi sukuwar ta farko ya ne sakamakon yake to mun yi sukuwa sosai yanzu ba muna da dawaki intarna sosai eh amma mu dai sukuwar da ta farko Allah ya ba mu nasara ba amma yanzu muna sa ran inda rabo din da yau muna da dawaki intarna din da rabo za mu farke insha Allah to cikin sukuwa me ke nuni intarna nan da kuke gani to wannan intarna da aka yi ta saboda ba da miyagun kwayoyi kin san kamar ba intarna bane akwai wanda suna ba dawaki drug to shi yasa ake kai su intarna yanzu dokin da zai gudu tun shi da malici yana cin intarna ya kwana sai da malici sana in za a jawo su sai an jawo su ku zo ku masarri kawai mahaya su hawa ayi gudu kenan ana samun wannan kesi eh, in ko ka za a ce na a samu dawaki an bashi wani abu saboda sadamiye ne to ake bashi wani abu saboda yana ƙara mai kuzari na aka ba su wani suna ƙara kuzari shi yasa ake ba su to shi yasa ake yin wannan intanet da lokacin ba a yanta to yanzu ne da lokaci daga baya aka gane cewa ana ba da wani miyagun kwayoyi sai aka ake yin ta duba kuwa sai an yi ta saboda miyawa shan miyagun kwayoyin in ka ma ba da su ma ka ba da banza ba su unhwani to me za ka iya ce muna dangane da wannan festival in na dokin iska da ke tattaro eh, manyan joke da kuma manyan entrepreneur daga ko ina na kasar Nijar da na ketare ku haɗu guda eh saboda wannan sukuwa da aka sa ta mu dai tana da ci gaba garin mu sosai saboda ana haɗa zumunci kuma duk shekara an aka yi ta da mahaya da antrewa duk wanda wanda ka daɗe da 'yan najeriya da 'yan ina ne duk wanda ka daɗe ma baka gani ba irin wannan su kuwa an aka halara kuna gamuwa wani dan uwanka da wani mai da mutane da wanda kar shekaru ma ba ganshi sai ka gani kun haɗu kashi ma baka ganshi ba shi ya sanya ake yanta sosai kuma alhamdulillah tunda duk shekara ana yanta kuma in ana su kuwa dole muna karuwa Avant de poursuivre notre entretien avec le coach d'équitation, autant pour moi, Écoutons d'abord euh, les conseils du prédicateur pour le jeûneur. Oui, Samira, dans la partie conseil ramadan de cette émission, le prédicateur nous parle d'un certain nombre de principes à respecter avant, euh, avant et le début euh, de jeûne et pendant la rupture du jeûne également, notamment le souhour et euh, pendant la rupture. En effet, sinon, le souhour, c'est manger et boire avant l'aube pour chaque jeûneur. Cependant, certains négligent ce repas, soit par indifférence ou par paresse. Et pour... revêt une grande importance pour le jeûneur que le prophète Mohammed a déjà parlé en disant prenez le secours car il est béni. Donc quand on dit bénédiction, ça veut dire barakat ou consistance dans le bien ou consistance divine dans une chose ou sa pérennisation. Le secours permet aux fidèles conformément aux dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de bénéficier des prières de Allah et de ses anges. D'après Ibn Omar, Allah soit satisfait de lui, a dit Allah fait miséricorde à ceux qui traînent le repas du secours et les anges implorent le pardon d'Allah pour eux. Quelles sont les recommandations pour la rupture du jeûne Dieu a dit dans le Coran, sur la 7, verset 31, et mangez et buvez et ne commettez Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Le prophète Mohammed a dit un musulman en mangeant doit commencer par prononcer le nom d'Allah, Bismillah, Rahman, Rahim, et commencer par prendre. Allah ne chers auditeurs, c'était là le conseil ramadan avec Oustaz Halidou Yahya au micro de Hawa Ousmane. Chers auditeurs, poursuivons avec euh, la deuxième partie de notre entretien avec euh, M. Moussa Ayouba. Dans cette deuxième partie, le moniteur euh, d'équitation Moussa Ayouba nous parle du festival d'Okin Iska auquel il participe chaque année avec ses chevaux. Et vu euh, qu'il vient de Niamey, les chevaux ont du mal à s'adapter au terrain de course de feeling, selon lui. On écoute. an rage kwanakin festival in eh. an yi ta kamar cikin sati guda yanzu kuma an maido ta kwana hudu me za ku ce muna game da wannan tun satin wancan muka fara su kuwa tun samdi muka fara mun yi samdi mun yi dimash muka yi jeudi kuma yanzu yau samdi a gudu kuma shi ana shi final kamar dai da ake yin ta ne duk shekara amma su kamar wannan wadda waccan wadda aka yi kamar ba ta cikin tsarin wannan wasanni na festival waccan ta farko wadda aka yi ta samdi diman shi da judi wannan su ne aka sa kamar cikin tsarin wannan su kowa ta doke iska dan filinga ta festival bana yadda suka yi tsarin na ta kenan to ko ina yi sani yanzu aka ce mutum gashi ya ci tukunci miye mutum zai samu wani irin girma ne zaka samu koko wani irin tukunci ne za a ba mutum da mutane suka zo suka hallara hakan ga da wake nan ko ina kewaye da mu muna gani to kin san shi wannan wasanni namu tukucin da ake samu sadefa kowanne ne akwai matsayi kin ga akwai lamba biyar mil san metar faransa daban ne akwai na mil katisan faransa daban ne akwai mil sisan faransa daban ne akwai babban gudu mil katisan su ma faransa daban ne Eh, amma babban gudu wanda ke addu'a a samu wannan babban gudu na 2014 ne babban fari ne ake cin takobi shi ne na kowa da kowa shi ne kowa ke addu'a Allah sa raban shi ya ɗauki wannan kofi saboda in ka same shi ka bar tarihi To kun ce kun san juna tare da saura mahalarta taron da suka zo suka zo da dawakansu da komi da komi ku a matsayin ku na delegation in ya mai shin akwai wata kategori da kuke ga tsoro ko ko wani doki da kuna nan kowa ya yi tsoron shi ce gaskiya wannan dokin an san da fisibilai sai an tashi ga samu a cin a me ake cewa a kubce mishi. Eh to ba a ce miki ba yiwuwa a ce babu dokin kowane kategori ka sani akwai wanda akwai champion wanda ana sa ran kawai sai dai in ta kuskure tun da shi wasa baya da baya kasancewa yana kuskurewa kana da fabori amma sai kuskure ka gani ba haka sai an ruga ka gaba haka nan ba ba ma kamar irin wannan hili naku na filinge saboda hili ne ba ka kawo mai fabori sai ka zo da faborin ka sai a cirewa yanzu dai na mun gashi kala diya akwai fabori diya wanda mun zo da su an tsere musu suna nan mun kawo su kuma ko gobe muna sa ran da mun koma mai wanda suke cirewa ba sai ba su iya cire musu mun sani ko gobe mun koma niyame wani bisa wani hili suna shan wasa kenan in na gane eh, gudun doki kama daga wurin ne inda ya saba koko kaka ne koko wurin shine ke shan bamban shi yasa ake iya tsere mai koko gashi eh kin san wannan hili na filinge ni dai abin da zan iya baki labari ke ni nan da afirka ma ni ban ga hili irin shi ba saboda ƙasar shi ta yi yawa babu hili mai kasa irin shi shi ba hagu mai hili ne bai da daɗi su kansa mahayan dai suna su kuwa mai amma ba su jin daɗi eh, shi daban ne da irin hilaye duka ma ni na afirka ban taɓa ganin hili ba irin shi ba inda bin yawo ba amma ni ban taɓa ganin hili ba irin shi tsakani ga Allah to kenan ku a ganin ku tun daga shi kenan mun taɓo kalubale ko muna yi sanin miye ya kamata a yi don a samu ana iya gyaga shi ko dole ko baɗi haka dai za a sukuwa a ciki. To shi san hilin nan haka ne dai kawai tun da yanayin ƙasar wurin ne ke haka nan kenan dai shi hili kawai dama haka nan ne yanzu sai ta kai zuwa gaba idan ranar za ka tahowa su kuwa sai ka san irin dawakin da za ka kawowa wa'anda ka san za su iya gudu cikin irin wannan ƙasai dokin da ka san daman ba a iya gudu sai dole sai dai ka haƙura ka baro shi ba ka taho da shi ba an ce ba a ba da magani ga dawakai don wani ya zama kamar eh, tigishiri ne ko amma ina ga tsinka kama a su 'yan layu-layu ko su abu kulle ga kanun dawakai ko su ba a hana ba mun ai sani me yasa a wannan ba da matsala wannan ai ba duk kin ga wata laya ko wani kiri ga cikin doki kana yi ne dai saboda wani maganin tsotsai wani dai maganin baki wani su ne dai kan ake musu yanan wannan ai ba ta matsala ba ne kamar drug ita ce ke da matsala a cikin doki saboda ita tana kara ma doki fawa wurin gudu shi yasa ba a santa amma da laya ai ba ta hana gudu Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique Entretien du jour. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique. Comme nous sommes dans le mois béni du Ramadan, il est nécessaire d'avoir quelques recommandations des médecins, n'est-ce pas, Samira? Oui, c'est nous. Et pendant ce mois de Ramadan qui coïncide avec euh, la période de forte chaleur au Niger, les pratiquants consomment des mets et des jus de fruits pour remplir le jeûne. Cependant, à cause de la soif, beaucoup de jeûneurs ne consomment que, ne consomment que de l'eau et du jus, alors euh, qu'il est conseillé de prendre d'autres aliments riches en nutriments et vitamines. Suivez les explications du docteur euh, Harakoui Mohamed, pharmacien nutritionniste. Des propos recueillis par Rahila Toussoumana. Lors de la rupture du jeûne du ramadan, sont surtout plus les aliments riches en eau, les aliments liquides comme l'eau, les tisanes à base de quinqueliba, menthe, citronnelle, basilic, les soupes de légumes, mais aussi le lait. Donc les aliments riches en eau vont permettre à l'organisme euh, de se réhydrater, de combler toutes les pertes hydriques posés euh, pendant la période du jeûne et également dû à la canicule. Les aliments légèrement sucrés comme euh, les fruits et les jus de fruits, la date, le miel, et aussi la bouillie. Ces aliments riches en sucre vont permettre à l'organisme de réguler euh, le taux de sucre dans le sang. Les personnes qui ont du mal à, consommer des aliments autres que l'eau et les jus de fruits ces personnes s'exposent à des carences. La consommation d'eau et de jus de fruits n'apporte que l'eau et des sucres. L'on sait que le sucre en excès peut entraîner une obésité, un facteur de risque très très important pour le développement des maladies cardiovasculaires comme le diabète, euh, le cholestérol euh, et les maladies euh, liées au cœur. Ils peuvent faire face à des anémies L'une des solutions serait de pouvoir introduire dans leur régime des purées de pommes de terre, des soupes, des bouillons. Tous ces aliments seront riches en protéines, en graisses euh, essentielles, mais également en minéraux. Donc euh, toutes les substances euh, nutritives contenues dans ces aliments peuvent éventuellement rééquilibrer les pertes et les carences auxquelles ces personnes-là peuvent faire face. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Cher auditeur, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec euh, la rubrique hebdomadaire justice. Dans cette rubrique, notre correspondant Anissé Karim interroge le juriste sur la liberté provisoire. oui, en quoi consiste cette euh, procédure pénale Quelles sont les conditions de son application Maître Ali Moussa répond aux questions. Dans l'administration de la justice, les juges disposent du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou pas une liberté provisoire aux personnes inculpées. En quoi consiste la liberté provisoire Les précisions de Maître Ali Moussa. Ce sont euh, des mesures qui sont prévues dans le Code de procédure pénale aux articles 133, 134, qui consistent à mettre provisoirement un inculpé ou une personne qui est devant principalement le juge d'instruction avant la fin de la procédure. Au moment du jugement, il comparaît pour être jugé c'est un droit également pour ceux qui sont en détention de pouvoir demander cette liberté provisoire à toute étape de la procédure. La mise en liberté provisoire d'un détenu ne s'accorde pas à la simple demande de l'intéressé ou de son conseil. La loi fixe des garanties explique maître Ali Moussa. Le juge d'instruction s'accorde à vérifier si cette personne détenue présente des gages de représentativité. Généralement, si la personne n'a jamais fait la prison, on sait où il est, surtout il, a une fonction à exercer et que au moment où le juge voudra le revoir, il peut se représenter devant le juge. Donc quand euh, il y a toutes ces garanties-là, le juge d'instruction peut accorder la liberté provisoire. Parmi les termes juridiques en lien avec la relaxation d'un détenu, on peut citer aussi la liberté conditionnelle et le sursis. Il y a bien une nuance, voire même une différence entre les trois, précise maître Ali Moussa. D'abord, le sursis est prévu par les articles 676, 77 pour le code de procédure pénale et et surtout, c'est une suspension de l'exécution de la peine, c'est-à-dire euh, c'est une condamnation, mais qui n'ordonne pas la détention. Ça a un délai de 5 ans. Au bout de 5 ans, euh, si vous répétez la même infraction ou une infraction similaire, quand on vous reprend, il y a des conséquences sérieuses. On révoque le sursis et généralement, on vous condamne même au double de la peine. Maintenant, la libération conditionnelle, c'est quand le condamné arrive à purger un certain nombre d'années de sa peine et s'il présente des gages sérieux, bien comporté pendant son séjour carcéral, il peut émettre une demande de libération conditionnelle avec des conditions. Et cette libération est accordée par le ministre de la Justice, après avis du ministère de l'Intérieur, après la demande bien sûr du condamné. Maintenant, la liberté provisoire, on peut au moment du jugement vous rappeler pour revenir et recevoir votre condamnation, votre jugement. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, euh, vous n'avez rien raté. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiocalango.org. Sinon, c'est l'heure de faire un tour en région, n'est-ce pas Oui, Samira. Et aujourd'hui, l'écho des régions nous amène à Terra, région de Tilaberi, euh, pour parler de compte. Il y a quelques décennies, avant l'avènement de la technologie, l'éducation des enfants se faisait à travers les comptes. Du moins, il contribuait en partie dans l'éveil des jeunes, notamment en milieu rural. En effet, le conte est un ensemble de faits imaginaires racontés par les personnes agréées euh, de bouche à oreille. Il compte des histoires tant comiques qu'instructives pour les enfants et même les, et même les grands. Mousse mhm. euh, Moussa Boukari Kanda s'est entretenu avec Madame Halima Hamido, voilà, une conteuse résidente à Tera. Halima Hamido, il faut nous Zenti. Zenti, kal faji Agona o woodi tele tele yongo kam borey gune hanndin zenton nokirmo ibore won tela zam hali ga te bore stark jirbe orgo hanno fakare o woni senon di albere exent wota e kang himundun kela deno yigi sambi mi dan cerga alin la sabe te ki dan cerga wo sinde yadin deno zento man sen tabbatan tiyono ba man faj kare sen yonno sen yonno ki iga harendi yigi te bore iga haru agte zanke sema fahami zento matno borg te kawana zentoya borgoro albere gok zenti ni kangondi lakkal heki hannukte ho wokulu suba zankiya watkul kan insen sela kiyer kan kana sagate arf kagate dang de donal halin watkula gomyola to ni kan lakkalo kan yirbi hinki hinza hali gok zentote kunni yo hekine kuru nugu wana o yadi ndig tek zentuwa borag te sambunda ifo nukta nafa zanke se da al'umma kulmar se. Zanti akak nye istare. Nan kul kan bore margor gok fakari. Wat fuan bore hinku go no kayon su margan batu. Hal zanti gok ten ka kangan kela ka kangan. Bajama margan ku fakari ka hangan kel se yongodi. Bore kan man kela yi ka kamara. Ba wodi gak sineno. irsen bobo yongo no songe kino la kan zanke wallahi ini furu in songe kino selan kan o woy zanki bobo kursi be he kanon selan to aran kanta bore kan zanti ifo no gati sandai karanga da. so zenti akaka ini tar sendo asigunda masala. masalan in wodi yonna amma da mati wobi yonno manti dak bor foga yonno fahame senni yondeno alber zan ta. ho wo zabano wala don asino yir wo zaban la haare den daga kama ho wo agon sende o wo yigi bora jank jank yon bambata filan ñaali ɓeeru wani noon ka gorko zenti hey das kokum bangal hamdi kew to wono ko naam bobo derendi ande ma wodi no sa filan zanki mo kamara marangue mo ma doori siyed bango wani siyedde matte Et oui, euh, maintenant, place à la, à, la partie sport de notre émission. Et pour l'essentiel du sport, Adam Sariou est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Seno. Bonjour. Nous débutons cette page sport euh, avec euh, le sport roi du Niger, la lutte traditionnelle. Eh bien oui, tout au long du week-end, l'arène de lutte de Zander a tremblé au rythme de la Coupe du Président. Cette compétition qui a réuni les lutteurs de taille, notamment les trois premiers du dernier championnat national, Nuru Hassan, Mati Souley et Kadir Abdoudi Isaka Isaka. La finale a opposé Isaka Isaka à Sani Habou après 4 minutes de combat. Isaka Isaka terrasse son adversaire et remporte la Coupe du Président. La troisième place a été remportée par Mansour Issa de Difa et la quatrième place revient à Halilou Hamani de Tilaveri. Ok, Adam Sariou, parlons à présent de football à l'intérieur du pays. Ce samedi, dans le village de Kazoway, les autorités locales de la commune, notamment le maire, le représentant du chef de canton, le président de la jeunesse communale et d'autres représentants ont assisté à un match amical entre le club de football de l'AS Police et le KFC Kazoe Football Club. Le match s'est soldé par un résultat nul vierge de zéro but partout. Écoutons le propos de l'entraîneur de l'AS Police qui s'est réjouit qui s'est réjoui du bon déroulement de ce match. dangance daga gaugawar da aka tsara wannan kwamfalar mun gamsu da mutanen da suka zo tunda magajin gari ya zo da makaraban shi da wakilin sarki da ki matasa kuma alhamdulillah wasa ya yi kyau kaga babu tashi hankali babu hayaniya ba wanda ya ji ciwo an tashi ana walwala daman abin da muka fuskanta ne bayan azumi sati bayan azumi za a yi retur insha Allah L'objectif de ce match est de renforcer la cohésion sociale entre les fils de la commune. Le macro-tour est prévu, comme il vient de l'annoncer, après le mois de Ramadan. Et oui, Adam, nous clôturerons avec un mot de la Super sur la Super League euh, qui est à, à, sa 21e journée. En déplacement à Tawa, la garde nationale a écrasé la jeunesse sportive de Tawa sur le score de 8 buts à 1 tout juste appelé en sélection par le nouvel entraîneur du MENA, Victorien Adebayor Zakari, signe un quadriplé et prend la tête du classement de buteur avec 12 réalisations en seulement 7 matchs de Super League. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations sportives avec Hassoumi Grouza. Merci infiniment Adam pour toutes ces informations sportives. Après la fermeture de cette page sport, passons au portrait c'est qui la star d'aujourd'hui, Samira Dans la partie portrait d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Lamine Maman. Il évolue dans plusieurs domaines d'activité à Filingué. Son portrait avec Habibou Gagba. Âgé de 35 ans, Lamine Maman exerce à Filingué où il a toujours vécu. En plus de son métier d'enseignant, il mène d'autres activités génératrices de revenus. Tout cela n'entrave pas son engagement pour la cause des jeunes de Filingué. don ka aikin da nake yi ni mushe ne na premier ecole medersa shi ne aikin da nake yi ina karanta su owe ina kiwo ina kiwon bisashe ina sana'an motuna da kaji da tantabara duka wannan ina yi kamar duk wani hanya dai da zan nemi kuɗi na kai na halali na gaskiya ina ƙoƙarin in gana bi wannan hanya Ewi, eh gagner de l'argent de manière licite et le credo du jeune Il nous explique comment il arrive à concilier ces multiples tâches. Eh to de kiwo da lokacin kiwo daban lokacin zuwa eh, mushe daban don ka dole kiwo ina ɗan sassauta shi lokacin da na san ina cikin harkan karanta suwana mai pandan vacance lokacin shi kuma da sai in ba eh, sana'a karhi o hakanan nake tafiyar da ayyukana. L'enseignant de Filengue en tant que jeune et également incontournable lors des préparatifs du festival annuel de sa localité dénommé Dokin Iska dans Filingue. Oh oui, in a Dokin Iska banda dama. Gaskiya muna cikin activité kin Dokin Iska. Ina cikin commission cultural, ina cikin committee wanda yake kulawa da al'adun gargajiya. Donc, euh... Le rêve de la mine maman est de voir la jeunesse de Filingue au cœur des grands événements. ta bangaren matasa kuma ina da burin cewa ya zamanta yau matasan filinge ya zamanta ko'ina aka zo su ne a gaba ta ya za su su san ya zamanta su ne a gaba dole in kana matashi sai ka tashi ka nema da kanka in ka ce zaman banza za ka yi ba yadda za a yi ka samu daga zamne daga nan kana iya ka shiga ɗauke-ɗauken kayan mutane amma in ka tashi L'ami d'enfance de Lamine partage ses ambitions. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'il milite pour les droits des jeunes. Rachou Boubacar. Presque toujours, nous évoluons ensemble. Et on s'accepte. Il y a les conseils. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, directement comme il l'a dit, automatiquement il, il m'appelle et il me dénonce telle chose. Et voilà, on crée les conditions de remédier nous avions vraiment les soucis de partager des choses qui vont nous faire avancer. Toutes ces activités permettent aux jeunes Lamine Maman de mener sa vie aisément à l'abri de tout besoin financier. Abibou Garba, Studio Kalangou. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Et eh oui, amis, auditrices et auditeurs, si vous venez euh, de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, euh, les chroniqueuses vont vous présenter une recette. À l'occasion de ce mois béni du Ramadan, nous vous proposons des astuces et recettes pour passer un bon moment pour votre bien-être. Oui, aujourd'hui, Samira, tu nous amènes euh, dans ta cuisine pour nous présenter ta façon de préparer des nuits que nous appelons Indomie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aiment ce plat, chers auditeurs, et c'est l'occasion d'essayer d'autres recettes pour la rupture du jeûne. On écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Samira Wafi et aujourd'hui avec moi dans la rubrique rose, je vous amène dans ma cuisine et nous allons préparer deux recettes. Mais pour le moment, on va faire qu'une aujourd'hui. Tout d'abord, euh, on va faire euh, là une recette vraiment très simple. Ça c'est mon plat <laughs> préféré d'ailleurs. <laughs> Ça sera la recette de nouilles chinoises. Et je vais vous montrer comment moi je les prépare parce qu'il y a certaines personnes qui les aiment euh, comme on le fait d'habitude. Euh, vous avez sûrement l'habitude de voir des tutos où euh, c'est juste avec un peu d'eau bouillante et on mélange déjà les ingrédients qui sont dans le paquet des nouilles. Mais moi je vais vous montrer comment je le fais à l'africaine pour bien manger ça. Tout d'abord on va commencer par se rincer les mains. La base dans une bonne cuisine. On va bien se laver les mains. Voilà, juste après, voilà moi les ingrédients que j'ai déjà lavés et préparés. J'ai quelques oignons en lamelles, j'ai un peu de tomates fraîches, j'ai aussi euh, trois piments verts que j'ai déjà découpés en petits morceaux, j'ai une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée, un peu de sel, un petit peu d'arôme et de l'huile. Voilà. J'ai déjà chauffé euh, de l'huile. Je vais venir verser mes oignons. Voilà. Après les oignons, je vais ajouter euh, le piment vert ajouter euh, mes gouttes d'ail déjà écrasées, c'est fait. Les tomates fraîches, je les mets juste après parce que comme euh, la tomate fraîche a un peu de jus, pour ne pas que euh, ça gâte un peu la cuisson de, l'oignon, je préfère mettre ça juste après. Voilà, juste deux minutes sur le feu, j'ai rajouté les tomates. Je vais fermer pendant 3-4 minutes pour avoir euh, un petit jus. Voilà, nous avons euh, notre petit jus qui est là. Voilà, dans cette partie, ça dépend de la quantité de lait que vous allez préparer. Je vais ajouter un quart de litre d'eau parce que je vais préparer qu'un seul paquet de lait chinoise. <laughs> voilà, je vais laisser bouillir. Entre temps, j'ajoute un tout petit peu d'arôme. Vous voyez, dans le sachet de nouilles, euh, dans le paquet, il y a un peu d'arôme et aussi un peu d'assaisonnement. Mais je n'utilise pas l'assaisonnement qu'il y a dans les sachets de nuit parce que moi ça ne me plaît pas. Ça dépend de votre goût. Moi je, préfère ajouter un peu euh, d'arôme et un peu de sel. Maintenant on va ajouter nos euh, nouilles. Je vais fermer la marmite et laisser cuire juste pendant euh, et 3-4 minutes parce que les nuits sont déjà préparées et suis juste quelques minutes de cuisson. 3 minutes seulement selon mon chronomètre sur le feu et mes nuits sont déjà prêtes. On va servir pour refroidir avant de le déguster. Et vu que je suis seule dans ma cuisine, sans vous, chers auditeurs et auditrices, je vais goûter pour vous. Voilà. Hmm. On va dire que c'est bon. Je crois que j'ai un peu, j'ai un peu exagéré sur euh, sur le sel, mais <laughs> ça va, faites pas comme moi. Ajustez le sel à votre convenance pour ne pas rater votre petit plat de nouilles super rapide. Et comme vous le voyez, ce plat ne m'a pris en tout que 30 minutes et c'est parce que j'avais décidé de faire euh, un petit jus avec des oignons et tout. Mais certains préfèrent préparer les nouilles chinoises juste avec de l'eau chaude et verser l'assaisonnement contenu dans le sachet des nouilles. Et c'est tout. En 5-10 minutes, c'est déjà prêt pour certains. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. Essayez cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Ça fait façon ragoût de spaghettis mais <laughs> en version nuit et qui coûte euh, déjà moins cher en cuisine et euh, ça prend aussi moins de temps. Bye bye. Et eh oui, euh, c'était là, euh, chers auditeurs, la rubrique rose, euh, tout en espérant que vous avez kiffé. Samira, c'est le moment pour nous de découvrir le loti. Et eh oui, tout à fait, c'est nous. Le loti de ce lundi 11 mars 2024 parle d'une pratique de certains hommes qui empêchent leurs femmes d'aller voter oui, au Niger, certaines, certaines femmes ne peuvent pas agir sans le consentement du mari, notamment quand il s'agit du vote. Alors pourtant, le vote est un droit. C'est aussi un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants lors d'un scrutin. Écoutons cette discussion des femmes du studio Kalangu sur le sujet. Affairage, affairage, affairage, affairage. Assalamu alaikum. Hamsatu Comment vas-tu Je me porte à merveille. Et toi, comment tu vas ainsi que ta famille tout va très bien, Wallah, Dieu merci. Alors, quelles sont les nouvelles Il n'y a rien de spécial. Et de ton côté Rien de nouveau vraiment, à part que je ne retrouve plus ma carte de lecteur. Alors que tu sais, c'est bientôt que nous allons voter, nous les Nigériens de la diaspora. Toi, tu t'es même fait enrôler jusqu'à penser à aller voter Mais bien sûr, parce qu'en tant que citoyenne, c'est mon droit et mon devoir de me faire enrôler et d'aller voter. Ne me dis pas que tu ne l'as pas fait. Non, je ne me suis pas faite enrôler et je n'irai pas non plus voter. Et quelles sont tes raisons Elle est simple et unique ma raison. Cependant, elle reste personnelle. Je n'ai pas envie ni même besoin de la partager. Ma chérie, calme-toi, ce n'est pas la guerre. Hein. J'essaie juste de t'expliquer qu'il est de ton devoir de citoyenne nigérienne, même ne vivant pas au Niger, de t'acquitter de ton droit de vote. Et je ne vois vraiment pas ce que tu me cacherais en tant que ta sœur. Je sais cela, ma grande. C'est aussi vous qui m'avez appris à garder en secret ce qui se passe entre mon mari et moi. Et quel est le rapport entre ton vote et ton mari Justement, tout est lié. Je ne comprends rien de ce que tu dis. En fait, c'est mon mari qui m'a carrément interdit de me faire enrôler et de même penser à aller voter. Non, tu blagues ma soeur. Grande sœur, toi aussi, comment puis-je blaguer de la sorte sur un sujet aussi sérieux Je n'arrive pas à le croire, quoi. Tu vois pourquoi je ne voulais pas parler de cela Ouais, je te comprends, petite soeur. C'est juste que c'est un peu difficile à croire. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Mais comment un citoyen et de surcroît un intellectuel peut penser de la sorte Je ne sais pas, vraiment. Lorsqu'il me l'avait interdit, je lui ai demandé pourquoi. Il ne m'a donné aucune explication. Pourtant, il devrait te donner au moins une raison, même si je ne vois aucune raison de t'empêcher de t'acquitter de ton devoir de citoyenne. Je ne sais quoi dire encore sur ce sujet. Et pourtant, tu le dois, même si maintenant il est tard. Mais tu te dois de le convaincre de te laisser voter la prochaine fois. Comment faire alors, grande sœur Premièrement, tu dois connaître ses raisons et après tu pourras lui expliquer l'importance du vote. À vrai dire, grande sœur, moi-même c'est tout de suite à travers toi que j'ai compris que le vote est important. C'est pourquoi je n'avais pas insisté lorsqu'il m'avait interdit de faire l'enrôlement. Alors, laisse-moi te dire que tout citoyen nigérien vivant au Niger ou à l'extérieur a le droit et le devoir de s'impliquer dans la vie politique du pays, c'est-à-dire il lui incombe d'exercer son droit de vote et personne ne peut lui ôter ce droit. Mais tu oublies que c'est mon mari, c'est lui qui décide pour moi. Oui, je sais, mais il se doit quand même de te laisser ton droit de vote et tu devrais en discuter avec lui. D'accord, grande soeur. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet. J'en parlerai avec lui dès son retour. Je t'en prie, ma petite soeur. Bon, je rentre maintenant. Bonne journée à toi. Je t'accompagne, grande soeur. On se dit à la prochaine. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le loti offert par les femmes du studio Kalangu. À présent, découvrons la recette culinaire. Oui, aujourd'hui, pour la recette culinaire à direction le Dandy, nous sommes allés à la rencontre de Rekiame Nassara, une septuagénaire spécialisée dans la préparation de cette bouillie authentique de Gaïa, le commandi. Elle nous explique le processus de préparation de la bouillie, une bonne rupture de jeûne. komanda igo dimidimi igo i komando wo songo ki igo te asin da zambu sulun tumono igo gati komandi zambu ko igo no komandi gono kan igate i kya se sasa komandi haini fallan ka ma amma sasa komandi no ganda komandi we ne yanga fai afo gono igate bosai wani ikulu haini fallan ka anu amma ifai o oh, a fo mo gono haini dai mi gate din na duru iga haino zambo iga da mara nga wa hai kudin su da mara kuma di dai no kudin haino mhm. wofon ite gina kalam koy di do hayno igadan harora ka nyunu kalama hanne zibi kulu kan gonara iga tamadan gaka har bi kono in gano iga nomi no da kala mu bori da a bori ina tamadan gazi bo kulka ima haro dan ka dorara kala mu hige a fuwan sanda ya yawo musankila ni gaidan kalandi karu masallaci ka goca ima dutuno kai kai kuli solan solan ni solan haro fatira ima kan da tangere kadan daru kai kuli yandi yandi haro mafattaila ima doku ka kai musimodo di kai musimodo ini musim ikanda ima dusintin kokoso kokoso mai ke gote ina yan mota a kanin ga lakalin ka ga fo kuli sino ima do ka ka sagu kan nan kan abori ka dabu da ku so wasu ima du sabai ka wo ka ga cambi bati kan ganda hadun gwa ga saba ima sabai ga hamu da yiga komando tanda iga hiniga tanda gumo hamu komando bati ki ga wani yante iga dan hari ka kwanda masin ka masin kalama nini ima ka ga kokoso da a kani ima haimora rasu ka gaga ima kuso da ke ka awi borfo yan gono iga yazi iga dan kitafu iga dan hancin kare iga dan kansi iga margu dan haino hawo mabele borfo mo sai haiku da mara yadin dai ni ga hau kuma mo ba ki gani komandi komande gono komandi fo gono di te iga modu no bursi ne ka amma i komande wai ga girbi hin kai ga girbi hin zate i gole da ra ka hawa to kul kan ni na feri kaddam tar musura ra wanni na han asimoro sanda dai so din dai no ito Eh bien, c'était là la recette du commandi. On continue avec euh, la recette de bouillie d'arachide cette fois-ci avec euh, Omo Omoru. Bonjour Oumou. Bonjour Samira et Seno. Bonjour. Voilà. Bonjour. To Oumou irgba irmbai ifurti damsi ko kawo kirci wankirne buyi daga shida en français irgba irmbai ifurti wadi. to madalla studio kalangu hangai koy kango ga hanga ir garan barkan da hando ki di hun kuna kan alsalama ne sintin sintin na kulu sigirno kan studio kalangu a karan sai wani kanga sigire danga hine ngai do hare da gax ne meya hando albarkara wodi maga sai no hun kun subo ayu ay kandara sai don sikoko dam sikoko wo mo ne hare ir sambai gumo amma madi za zandar kala di fayan i wona na mono bare bare zama i wo ay wundi ko bare bare no donc me hawkul inga nirgite dem si koko dem si koka de matki gante da za sintinani gin dem so ceci dem si gani inga no niga dina fifiri to walillahi alhamdu abu di mana fifirmu ni ma fifirni bonse dina fifirni bonse an fo niga du wo kan i fifiri donc din dai misal ai ga gasan baran kai na zama wahi hije ga bagumo wala se kaina be ma firin an dam su hagin ka wan dina feri e koptara ya dinga hay cika din kan go bandara ni gi fifir ko ni ye dina ka gurai zai dam si gura mhm. in ga ne ni gi ye ga fifir halan buri ko mi icira din madare kan gana am kware ga buri mhm. de da kware ga buri a buri da man kware ga buri mu asin da tali dam su dai lesansiel dai ni masu ban zibi zibi kul kan gara dam si gani man ti dam si hagante dam si mhm, gani wadin cine no ni gudu inga wo de préférable ni mudu humbur kan manti fo gina wonno mhm. humburo kan ra igan duru wanno machine yan godo danga kwara yan godo kan evoluer ma zai mai duguri yan mhm. da Nigeria labo fo yan gono dem si ko kan da me hawoto machine yan godo kan ga takanas dem si wodi igan fufu dem ka kan gi su kusu mefu mhm. alasar kul ni muka ni mu teni koka donc ir woni ko ir ma ir si wodi yam dum wo bay nin gondin humbur hanno kan ni man bay gudura ra fo gina ni ga dem so hayo hanse halno kanse aburi dinda demso hanse ni nigo demso da humburora ni ma dur kal kal kal no kanse abu mhm. kal dai mi di amte da gasti ga dige fason mhm. kan ni di jiga fatara mhm. wadi cima te kinu kusukan ga hanan din te kini kusukan ga hanima kago ni she zobo nima demso de kango humbur kan ni saba kal kal no kanse abu nima demso dibi nima kinu hangasu din ceci hangasu ma dibi kalno kanse aburi ma kan dinu kuso ni ga gisi ni ma kan tame lilon ni ma kan tame lilon ni ma ka ni ma sorro ko dem so de kan dibidin oh, marki ga mari bi dibin da bore mm-hmm. ga bai irin yanga ga bai marki ga da kauye bore ga bai marki mm-hmm. ga mari bi dibin da no ne dem so din dibi kalama te hari bobu mm-hmm. ni ma nyaagi na ra hari kal kal kal hanga so mefo hanga so misal ne gogin no donc nim cecin ku sizo kan ga hanan nim ka ni ma sogu tame lilon ga oh, ya dinga cikato no gacin din je cikato haifo tin ni ginga da har gan tarandi din ban ni ma tama ceko tomun nim tama nyum nima gisi man ta cin lisi harodin mhm. min danjo funsu da gas non sai da sharbon non sai ma da kabu mhm. manan agoga zarga ama zarga ama zarga za a asinti ga zarga ni nima ceci sinkafa mu mu kul kan goni sai gate nim ka mo kai na fo kan mhm. tite kai da danga gombo me fo gombo me fo nim ka ni mo anyum kan non kan sa abo ma duru haro da dem sai haro da amma zaga zarga zaga zarga zaga zarga kan non kan sai dinga ba am niga bai niga ba nin bai mhm. halanin niga di bene ji kai na fo go fatta mhm. nima ka mo kai na fo nima di hal muwanin mhm. de muwanin ko kati son kan ko kati ko ka ga kom wal mu asi ah, kom hanganga ma ma ci hanko ciyo <laughs> ni ma sabira eh. donc son l'essentiel nima dugu bai halanin kun niga sambu gombo nima ka mo kai na fo niga di muwa anini donc de muwanin ni ko kanin ingo aten gabu ko kani de ko ni wali kine ni gice farin danga kar cine mhm. farin kar mm -hmm. kan tite kai ne wogo tensi mm donc mo gombo me fo da demsi mo danga misali imne waranza demsi mm za waranza demsi donc ne makanim farin wo dibi kan kanse abori dina farin wo dibi man ti eh, kan ka te kutufa fa mhm. ni ma te dibi maze ate hari, hari. farin kar mhm. farin kar dinna dibi donc nimi nga mo tame wal warwara nima ma sogu farin wodi kan dibidi kundi sogu kusora inga no gana komandinsi mm. ni go komand ni go ni hayo farin dibanta sogu kusora ni go gana komandi mm -hmm. kan nimdi akom kitip za akom kitip dan quelques minutes 2 minutes ni kuso zuman diganda din kuso zuman diganda ni gondin ingredient kan niga dangara me dinga bani mahan mm -hmm. niga nigi dan cerrason dinga mm -hmm. bani ma gisi nim duga han mm -hmm. nisi haykul dangara yani niga gisi pirgara mm -hmm. ligan gisfir gara mhm. masu koy ginai da dina gina da hal mo boyen kula sara mhm. me dinga ba madin se mo boyen kun masu mhm. ginai da donc wo ni ba nim utiliser des sonde ara ni ginga dan le pic ni ginga dan le pic ara ni ginga dan sucre ni ginga ci citron ni citron nimi sitrongo fai ihinka nima kankan parti fara zan ko kasiba ni fai parti fara donc ga ma aguno gu citron sucre goni se le pic agati le an poudre agate amma le an poudre ni gan dibino bol wani ni ma sogol ko kara le concentré agate ni gin gan gara ni ma dibinda mhm. me bare bare kan go sajora wo kay man temo kay man kanya mebu mhm. inge wo wani gidan kindirmu mhm. wawo de kan nigidi kan fulnga ngerdi inga ninga ne singa wo madangara aha inga nigida me wo yan kanya mai temo din wo inge wo isdan kan le pik yan le an poudre yan dem si ko kane kan hausan ke sai kunun keda Mm-hmm. Oh. Il s'avoue, Merci infiniment. En tout cas, <laughs> moi, j'écoutais attentivement et maintenant j'ai compris. Nous ah on va aller essayer pour ce mois de Ramadan. Exactement. voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez euh, pris note. Samira? on range les marmites eh et, on quitte la cuisine pour revenir au studio et nous allons écouter cette fois-ci la culture linguistique en français et en anglais. Actualité oblige, le mot de semaine est Ramadan. Chers auditeurs et auditrices, en espérant que vous allez bien, bonjour et bienvenue dans Culture Linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your favorite show Culture Linguistique. Le 11 mars 2024 marque le début du mois de Ramadan, qui est le neuvième mois du calendrier islamique et le mois au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Mohammed et salut sur lui. Pendant le mois de Ramadan, les fidèles musulmans pratiquent le jeûne, qui est l'un des cinq piliers de l'islam. Vous l'avez sûrement deviné, le mot du jour est jeûne. Jeûne en anglais veut dire fasting. Fasting. Le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture accompagnée d'une privation de boisson. Jeûner, c'est aussi se priver de tout ce à quoi l'on est attaché. Fasting is abstinence from food or drink or both. Fasting is also deprive oneself of all pleasure or some things a person is attached to. Prenons un exemple. Je te souhaite une bonne rupture de jeûne. That means I wish you a good breaking of fasting. I wish you a good breaking of fasting. Un dernier exemple. Fasting is good for health. Fasting is good for health. That means le jeûne est bon pour la santé. Fasting may provide several health benefits, including blood sugar control and weight loss. That means le jeûne peut offrir plusieurs avantages pour la santé, notamment le contrôle de la glycémie et la perte de poids. Ladies and gentlemen, that's all for today. We wish you a good start of Ramadan. Chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon début du mois de Ramadan. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Sabira Omaro pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, c'est nous. Je propose qu'on écoute les messages vocaux de nos auditeurs avant de recevoir notre rédacteur en chef pour qu'il puisse souhaiter euh, un bon ramadan à nos auditeurs. Exactement. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Eh, sunana don ina nan kuma cikin jihar tawa studio kalangu ina sauraren shi kwarai kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya yi maka abinda da kudin kama baka ibe a maka shi tunda kaga na ɗai sun taba zauwa ta rana sun ka ɗauke ni bisa aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka iya biya ba ka gani wannan abin vraiment yana da amfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi duk shirye-shiryen da suke yi duk suna burge ni saboda na duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su bisa wasu aika wanda suke yi suke nan suna yi kaga wannan dalilin dan dalilin eh, eh, studio kalangu ba ba za mu iya ganin su ba kuma ba za mu iya sani ana can ana yin wannan suna wannan aiki ba lallai kalangu mu ba mu da wata matsala saboda mu kalangu kullum mu a sauraron ta kuma mu abin da an muhimmanci gare mu labarin da ta kai da kowane harshe tana maimaita shi da kowane harshe kaga akwai haɗa ke na wanda kaje in ba ka je harshen zabarmanci ko na hillanci ko na ko na hausa ga suna yin zabarmanci suna turanci kuma duk labarun da sun ka suna maimaita su kuma har da ƙara da ƙaro kuma mu bisa harkar asfar na gaba su wasa duk yanzu ma kana samun sakamakon balo gare su baka same su ga radio Nijar kaga ma kaga wata karuwa ta garin mu to lalle shirin da ka burge ni gudana zuwa biyu bisa ga al'amuran ta kai nan nan bisa ga radio Tambara muna jin daɗi tana ba da labaru saboda wasu labaru wanda ba ba mu san da su ba to ita eh, kalanku tana bada su kuma muna allah allah lokaci shi mu shi labarun da da take yi kuma muna amfani da labarun sosai da sosai da labarun nata da gaskiya hisbillah babu ne su a kodai sai kuma bisa ga shiri kuma guda wani ta kai na na na aje fada to shine wannan kuma shi ya ya ya burge mu saboda muna da matsayi wannan wuri na na shugabanci na na kwalab da fada muna son kuma a ba wannan hili ya kamata a ƙara kuma bisa ga wannan da suka zai na na fada Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, comme l'annonçait tout à l'heure euh, Samira, nous sommes en compagnie de Alassane Abdou. Il est le rédacteur en chef euh, ici même au studio Kalangou. Alassane, bonjour. Bonjour Ali, bonjour Samira. Bonjour. Alors vous êtes là euh, pour euh, souhaiter un bon euh, début de mois de Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane qui écoute le studio Kalangou. Oui, et aussi un mot pour les auditeurs sur le programme. Exact. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de me prononcer, euh, euh, de souhaiter un bon début de Ramadan à tous nos auditeurs. Comme vous le savez, Studio Kalangu, à ses débuts, euh, euh, on avait quelque chose de 930 000 auditeurs. Hmm. Aujourd'hui, nous avons 3,4 millions de Nigériens qui nous suivent. 3,4 millions, ce n'est pas petit et nous sommes pratiquement dans tout le Niger. Mhm. Nous souhaitons à tous les Nigériens ceux qui nous écoutent à travers nos radios partenaires, ceux qui nous écoutent à travers le 325, ceux qui nous écoutent à travers euh, la plateforme, notamment euh, les réseaux sociaux, notamment notre site internet, vraiment un bon début de Ramadan. Nous savons très bien que euh, euh, jeûner, ce n'est jamais facile, mais en tant qu'un bon musulman, et avec la situation aussi de la précarité, aujourd'hui on peut dire que tous les Nigériens d'obédience, euh, si je peux le dire ainsi, euh, ont quand même commencé et, euh, ce, ce là ce matin. Mhm. Nous les remercions beaucoup et nous continuons à leur dire que nos portes sont ouvertes et nous leur souhaitons vraiment un bon début et également nous lançons un appel auprès de nos auditeurs qui nous envoient des messages d'auditeurs. Nous attendons toujours ces messages-là. Et pour ceux qui nous demandent chaque fois, est-ce qu'on peut envoyer des messages euh, en Canorie? Ils peuvent très bien envoyer des messages en Canorie que nous allons aussi diffuser. Sans merci encore. Merci pour les Nigériens et les Nigériennes qui nous écoutent. Merci infiniment. Les Hindadi Karewa, chers auditeurs, euh, c'est la fin du, Niger, sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Moukela Ousseini. Voilà, la technique est assurée par Amina Hassan et l'édition par Alassane Abdou et la grande dame Soumana. Excellente journée à vous et bonne rupture de jeûne. Bye bye. Bye bye.